Je m'appelle Marianne Niox, je suis la directrice artistique d'Artea Culture, qui est une école de formation au métier de la scène. Je suis danseuse chorégraphe, l'association qui forme les jeunes au métier de la scène. Donc le 21 juillet, euh, nous allons organiser une journée autour des cultures de danse urbaine. Cette journée sera l'aboutissement d'une formation d'un an auprès des jeunes de Tiaroy et des jeunes de Pikine. Euh, tout cela financé par euh, le ministère de la Culture à travers le Fonds de développement de danses urbaines. Donc euh, ce sera une journée euh, articulée avec des ateliers, des concours de danse et un spectacle euh, aux alentours de 18h, un spectacle de danse avec des professionnels de la, des danses urbaines. Euh, sera la première fois à Tiaroigar. Jusqu'à maintenant, on l'avait fait à Rufis, à Pikine, et cette année à Tiaroigar. je tiens à dire que c'est une journée qui se fera en partenariat avec la mairie de Tiaroigar et quelques sponsors comme Kiren, Africa Chips, Oxygène, Pekin TV. Ah, c'est gratuit, donc on espère avoir du monde à cette journée. C'est un événement entièrement gratuit puisque depuis le début déjà la formation est gratuite. Ok, je m'appelle Ahmed Najad Gay. Je suis le directeur du service financier de Artea Culture et École. Je suis aussi le comptable qui suit le financement du projet et les budgétisations et tout. Bon, d'abord, on a eu un financement du ministère de la Culture. Bon, c'est vrai que on espérait plus côté budget, euh, vu que la formation était un peu coûteux, euh, coûteuse, du moins. Euh, on y a mis nos propres fonds, mais on compte sur euh, la budgétisation finale pour prévoir si on pourra continuer la formation l'année suivante. Parce que on avoue qu'on a fait assez de financement, on a fait assez de dépenses euh, dans nos propres poches. Euh, et c'était pas facile du tout. C'est vrai que le financement du ministère nous a beaucoup aidé. mais on compte plus l'année prochaine si on a si on a un financement suffisant, Bon, au fait, je pense qu'ils commencent à comprendre que la formation est nécessaire dans le milieu de la danse. Euh, on a eu l'opportunité de présenter euh, l'ouverture de la biennale. Hum, c'était un honneur pour nous. Euh, et par le biais de ça, nous comprenons que le gouvernement commence à prendre au sérieux la formation dans le milieu de la danse. Donc euh, nous pensons qu'il commence à nous, prendre au sérieux, d'où ce financement du projet, car il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup d'écoles de danse ici au Sénégal, surtout à Dakar. Hmm, c'est pourquoi nous, sommes confiants de l'avenir de la formation dans le milieu de la danse. Bonjour, mon nom c'est Jean Sagnan. Je suis danseur et professeur de danse aussi à Artea Culture à Artea École aussi. Pour le nombre des élèves, bon, on n'a pas un nom fixe parce que ça varie. Ça varie, ils viennent en 30, en 40, en 50, ça dépend. Bon, au début, c'était pas facile parce qu'on avait débuté avec 3 ou 4 élèves et tout ça. On a commencé à bosser avec eux. Vous savez, les enfants, quand ils aiment, c'est bien quoi. Du coup, la pipe passe toute seule, c'est de bouche, à oreille. Du coup, les enfants se sentent vraiment à l'aise de venir euh, faire la répétition, de venir travailler aussi, venir faire euh, la formation euh, au centre. Et moi aussi, ça me fait, ça fait plaisir. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile pour les enseignants, et aussi, ce n'était pas facile aussi pour, pour que les élèves s'attachent à moi. Ouais, comme vous savez, quand vous commencez à faire une formation là où on ne connaît pas, c'est bon, un milieu qui n'est pas de votre milieu ça devient difficile. Donc, c'était pas facile au début. On a commencé à bosser avec eux petit à petit. Donc, du coup, du coup, le bouche à oreille a, passé. Donc là, bon, on rend grâce à Dieu. On a beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves. La, la, formation se passe très, très, très bien. Donc, on espère aussi que euh, si le ministre ou le président oui, il y a des hommes et des filles, des filles, des garçons et des filles aussi. Des garçons et des filles, oui les garçons et les filles. Bon, au début, c'était pas facile, il y avait que des garçons, mais j'ai vu euh, petit à petit les filles commencent à venir, à s'intégrer, et c'est bien aussi. Salam alaikum, je euh, suis Marie-Rose Sane, fetikat là. Depuis 5 euh, ans, je suis métier. Je gagné ma vie. Bon, affaire Tcharoy Binak, man ma cours pour élèves jigéen Mais metti en as trop te connais Hamna. parce que ak sàcc xale yi xew métti woon na trop pour ñun léeg-léeg dañuy dem duñ fa fekk benn xale duñ fa fekk benn xale mais après nànk-nànk xale yi di ñëw nànk-nànk bëgg nañ ko mais après nag il faut ñuy wax ak parent yi parce que euh, métier bu mel ni fecc fii suñu dëkk dafa xaw a difficile pour parents yi accepter ko day xaw a métti waaw mais ñu ngi góor góorgóorlu ak suñu kéemtalaay kàttan su yombul yombul tamit pour ngay bàyyi sa doom muy génn moment boobu noonu. mais dañuy ñaan yàlla rek di ñaan tamit yàlla na fi loolu jóge parce que suñu dëkk tamit xamuñoo loolu yaa ngi dégg euh, yombul daal yombul surtout milieu bu mel nii caaroy euh, ci côté boobu noonu lu ma ci mën a wax mooy di wax di waxaat xale jigéen yi ñu góor góorgóorlu bu baax pet parce que benn liggéey yombul benn liggéey yombul di leen wax ngeen góor góorlu bu baax a baax a baax liggéey nag boo ko joxee fulla la nga ciy réussir da nga ciy am lu bari bari bari mais boo keneen du ñëw defal defal la ci la nga c'est impossible c'est impossible il y a fullaal sa bopp man 4 ans rek laa ci def te maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax bonjour moi c'est Aliou Barry je suis euh, technicien lumière régisseur spectacle je travaille avec Marianne Ndiok Sartea depuis ça fait 10 ans on travaille ensemble bon comme on m'a dit c'était pas facile quoi mais nous le euh, notre objectif euh, pour la danse c'est que les gens respectent la danse comme le football comme le basket, comme les autres disciplines. Quoi. Respecte la danse parce que la danse c'est un métier. Quoi. C'est ça qu'on sait, c'est pourquoi on est sorti, gagner des. Euh, tu vois, euh, former les jeunes pour nous, pas pour les rater quoi seulement tu danserais parce que tu es raté dans tu viens tu fais la danse ici on fait la danse tu vois les gens sont corrects quoi tu vois ils gagnent leur vie dans ça ils vivent dans ça quoi c'est ça, quoi, moi, je voulais dire. Respecter la danse comme les autres disciplines, quoi. Mais à part ça, c'est Xavier qui va parler de la danse parce que lui, c'est un danseur, c'est un professeur. Salam alaikum. je suis Mohamed Xavier Goudiaby Je suis ici, c'est si euh, centre de compagnie et école Je suis depuis 8 ans je euh, suis sama collègue Jean ñu si des ay ans 4 ans 3 ans donc mën naa ne ñun nañ si ñu donc euh, comme Aliou Bari nu ko rek euh, commencé métier métier danse quoi parce que dëkk bi fii boo nee euh, da nga bëgg def fecc da nga bëgg def parents xalaat mooy tu comprends mais ça dépend yow nu koy tu vois parce que am na ñoo xamante ne dëgg la am na ñun suñu ay collègues yoo xamante ne dañu jàppee métier bi dañu jàppee euh, danse bi foo parents yi loolu la ñuy gis ci comprends mais ñun boo xoolee ba ci biir nit boo demee ba bëgg dara bëgg ko def liggéey ak lu mu munti doon si àdduna ak lu mu mënti doon boo gëmee ne di nga si réussir di nga si réussir dëgg la nag euh, ñun Sénégal fii bokk nañu si mujjee comprendre danse mooy lan waaw bokk nañ si ñoo xamante ne ñoo mujjee comprendre loolu. donc euh, pour revenir à si Artea ñun dañuy def ay formation de danse des cours de danse dañuy def ay spectacle si côté danse lépp lu euh, ëmb danse rek ñu ngi ci biir voilà dina juste pour briefing rek euh, si côté Donc donc façon de danse nous ñuy def la danse classique peut-être ñu bëri xamuñu ko au Sénégal mais artistes yi seen biir comprendre nañ ko ak danse hip hop il y a le break dance le hip-hop, le locking, le popping, euh, il y a le house ak afro. Le jëm du côté hip-hop la nekk danse classique hip-hop danse traditionnelle le yëpp la ñuy def comme formation de danse voilà ak moderne jazz voilà. pour nous aussi danse classique le danse française C'est une, culture la comme nous avons ñu une culture danse africaine ñu avons une culture Nous avons une culture la culture. gis ngay gis ñuy taxaw avons kay pointe di def ay tour tu vois loolu il faut ñu expliquer ko si si si fecc pour nga mën ko comprendre amna na ñoo xamante ne xamuñu tour bi amna na ñoo mën ko expliquer mënuñu ñu xam parce que mësu ñu ko seetaan tu vois il faut nga fecc ko gars yi mën ko xam tu comprends du juste que gars yi ñëw pour def formation pour xalé yi nii rek après ku nekk dem euh bo gisé ñu def formation bi parce que da ngay gis nit bëgg fecc bi bu ko def métier mais parents du la ko du ko may parce que duñ la wolu ci côté boobu dañuy naan da ngay caaxaan donc ñu dañoo ñëw fofu pour wone ne parents yi lii mën ko def métier mën nga si avancer mu ngi si am lu nekk parce que nous ñii ñëpp ku si nekk def ngay compétition yu man jël compétition Sénégal yu bari trophée yaa ngi tu vois jël compétition bu Sénégal en France en novembre 2017 2018 euh, euh, tu vois donc pour wan ne rek danse c'est na bi mu nga am tu vois donc pour wax ne formation du pour former rek pour former leen la pour ñu bëgg danse bi ko métier ñu mun am buntu pour continuer je m'appelle euh, Alexis Amado Nunez. Je gère tout ce qui, tout ce qui va dans l'audiovisuel de la compagnie Artea Culture et École. Euh, pour revenir à la journée qu'on va faire le 21 juillet, c'est une, c'est une journée, c'est une journée très spéciale pour Artea parce qu'on va, on va, finir une formation qu'on avait commencé avec des jeunes de Pékin. Alors il faudrait et de Il Faudrait, savoir que ce n'est pas une première charrette, parce que la directrice, euh, Mme Madame Marianne fait des, fait des choses de ce genre, des, des, formations, des aides dans la danse depuis longtemps. Moi, je me rappelle, une fois, on est allé à Tcharoy pour, à Pékin pour, pour couvrir un événement, parce que moi, des fois, je vais avec les professeurs pour couvrir les événements en images. Et euh, j'ai discuté avec le directeur qui m'a dit beaucoup de bien de Madame Marianne Donc c'est pas quelque chose qu'elle fait pour le profit, c'est pas quelque chose qu'elle fait parce que parce qu'elle est obligée, elle le fait parce qu'elle aime la danse et elle veut faire euh, connaître la danse dans le Sénégal et dans les banlieues en, particulier. C'est pour ça qu'elle a décentralisé. Elle aurait bien pu le faire euh, dans les zones comme Point E ou autre, mais elle a préféré aller dans les banlieues pour aider les jeunes. Alors maintenant, moi je pense que c'est quelque chose de très bien et que le, le, ministre qui gère ce secteur devrait beaucoup plus accentuer le, le fonds qu'on octroie à, la compagnie ou à ce projet. Alors je, veux inviter toutes les personnes qui voudraient connaître c'est quoi la danse, qui voudraient peut-être connaître mieux le, le milieu de la danse, à venir le 21 juillet, regarder ce,

côté rek bañu ba samay parents euh, ma accepté ci ni ma mën waxé waxee ci danse kese ndax dinañ nek sa éducation dinañ xam ci li nga nek duñ la bàyyi nga dem ci ni ni ni kon nak limay may wat rek moy fecc dal foog naa ni Xavier wax na lépp du du dool loo xam pour foo wala nii nii soo ci bëggee aussi di ci réussi ci kaw nga def ci fula ak fayda ndax xam naa ni ba may nekk suñu ba léegi rëccu ma ko benn yoon. nekk nag ak ñoom jàppale nañ ma ci lépp nag ci n'importe quel côté euh, kon ñu nekk si banlieue bi dama leen a xamal ni rek ne bu fekkee dañ ko bëgg ci seen xol foog naa ni daal mën nañ ko ñëw def daal parce que Arthaya newul école de danse kese école éducation la en plus Marianne ku baax la Javier ñoom ñëpp ñu fi nekk dañu baax dañu yaatu franchement te aussi bëgg naa ñu gën ci ñu gën leen a jàppale ndax lépp looy gis ñoo ci spectacle yi ñuy def en plus ñoom ñoo ci def seen xaalis ñoo ci def lu bëri daal su ma sañoon daal état bi jàppale leen man loolu laa gënoon a gis ndax xam naa ne ci la ñoom ñoo ma jëlee Pikine ba léegi maa ngi fecc ba ni may nekkee mag ba léegi rëccu mu ko benn yoon. ba man bi may nekk ci benn école association laa nekkoon mais ñoom ñoo doon joxe foofu cours après ma ñëw di fecc ak ñoom nekk ak mais nekkul loo xam ne difficile na quoi parce que daanaka dama ñëw di fecc ñu gis ni carrément que man mën naa avancer ci fecc ñu jël ma may ñëw fii di fecc genre ma jàppale daal nekkul loo xam dama ñëw di fay ñoom ñoo ma ñëw ñoom ñoo may jàppale ba ma yegg fii. waaw te dama wane woon aussi dama ko bëgg moo tax ñoom moom boo ci boole boo bëggee li ngay def rek dañ la siy jàppale wax dëgg yàlla te yàqu sama jàng benn yoon ndax ñoom ngi may toppatoo topp samay jàng mu amee problème dañuy ñëw école di ma xool ba léegi maa ngi nit def yeex man daal li ma leen di lancé mooy nit ki loo nit ki loo bëgg foog naa ni euh, war nga ci waxtaan ak say parents ba ñu d' accord suñ si d' accord it ñoom dinañ ñëw wax ak say parents mais si kaw rek ma gën man leen di bamtuwaat rek ne leen fecc du loo xam ni

pour une journée euh, culture urbaine avec concours de danse, spectacle de danse, et ça de 14h jusqu'à 19h. Voilà. Et avant de clôturer, nous, tenons à remercier donc la mairie de Thiaroïgar, le centre qui a mis à notre disposition le centre polyvalent et qui s'est occupé de beaucoup de démarches en fait pour que tout se passe très facilement. Nous remercions aussi le directeur du centre polyvalent, M. Euh, Monsieur Keba Gay, qui est hyper, dynamique. Et si on ne l'avait pas eu, on n'aurait pas avancé dans nos projets. Nous remercions aussi les sponsors qui nous ont donné tous les dons en nature, Kiren, Africa Chips. Et nous remercions surtout le ministère de la Culture à travers le Fonds de développement aux cultures urbaines qui nous a permis de pouvoir mettre en place cette formation et cette journée qui va finaliser la formation. Bon, nous vous invitons, l'entrée ah est gratuite et nous vous L'entrée de cette journée est gratuite et nous invitons tous les habitants à venir assister à cette journée, les petits, les grands comme les petits, euh, surtout les grandes personnes pour voir le travail qui est fait au niveau des enfants, le sérieux de, de ces journées et de cette formation. Nous, avons besoin de l'aide des parents. Nous avons besoin que les parents, les enfants. Euh, et des de danse. de 16h euh, à 17h, euh, nous serons des jeunes chanteurs de rap qui viendront improviser. Et à partir de 18h, nous aurons un spectacle, un euh, spectacle produit par professionnels.